Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Maria Madé, à mes côtés Habiba Hameda. Bonjour Habiba. Bonjour Mariam, ça va Ça va bien Habiba. Alors, euh, présente-nous le programme du jour. Pour le programme du jour, Mariam, nous commençons par les flèches d'information qui nous sera présentée par Habibou Garba. Pour l'écho des régions, nous ferons un tour à Maradi pour découvrir une jeune entreprise innovante. Ensuite interviendra la chronique la rubrique linguistique et une page sport. Dans cette même émission, chers auditeurs, et spécialement pour ce mois de Ramadan, vous suivrez les conseils d'un nutritionniste pour, euh, votre bien-être et des conseils religieux pour mieux raffermir votre foi. Notre invité du jour est Yahya Sebou, plus connu sous le nom de Kaiwundi. Il nous dira tout sur sa vie d'artiste dans un instant. Chers auditeurs, restez branchés pour une heure d'info. Chers auditeurs du studio Kalangou, veuillez s'ouvrir les flèches d'information avec Habibou Garba. Bonjour Habibou. Bonjour Habiba. Bonjour Habibou. Bonjour Mariam, comment Alors, vous allez euh, quelles sont les nouvelles ce matin Mariam, le président, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a félicité hier mercredi 27 mars le nouveau président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, pour sa victoire à l'élection présidentielle du 24 mars. Selon le chef de l'État nigérien, cette victoire prouve en outre la maturité politique du peuple sénégalais en même temps que sa farouche détermination à promouvoir une gouvernance résolument orientée vers vers la démocratie sociale ainsi que la souveraineté et les intérêts bien compris du peuple sénégalais. Aussi, à Tawa s'est ouvert hier à 27 mars à la deuxième session de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance d'Ottawa. Cette session, qui se tiendra du 27 mars au 6 avril 2024, aura à examiner 20 dossiers. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information et aussi un comité régional de dialogue public-privé a été mis en place euh, hier à Niamey par le gouverneur de la région. Et c'est conformément à l'arrêté du 24 août 2022, ce comité aura pour mission d'améliorer les cadres de vie des populations et un climat apaisé à travers euh, une communication saine et permanente. Voilà, c'est tout pour le flash d'aujourd'hui. Merci, Merci, Habibou, à la prochaine. Merci aussi. Bonne journée. Comme on l'a annoncé en début d'émission, nous sommes en compagnie de Sebou Yaye. Il est artiste nigérien. Bonjour Sebou. Bonjour madame. Merci d'être là au studio Kalangu. Merci à vous aussi. Alors Sebou, pour commencer, dites-nous qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir chanteur <laughs> Qu'est-ce qui m'a poussé Oui. devenir artiste Oui, artiste. Ah, Rien. Je suis, venu, je suis devenu artiste, c'est parce que rien ne va. Rien ne va, on est, on obligé de retourner à la musique. C'est comme ça, moi je peux le dire. Sinon, euh, il y a eu un moment où j'étais en Côte d'Ivoire, mhm. où je voyais les Alpha Blondie, les Tikendia, euh, les Fadel D chanter. Je me dis, mais attends, ce sont des, humains, il faut que je retourne aussi chez moi aussi pour faire quelque chose. Mhm. Donc, euh, je suis revenu en, 2000, euh, en 2006. En 2016, j'ai enregistré mon, mon, premier son, mhm. qui est Kayundi. Donc, euh, après, j'ai fait, quelques, quelques, trois mois après, j'ai fait le deuxième, qui est Beregusso Et le troisième, deux mois plus tard, j'ai ajouté encore un troisième son qui est à la Donc, ça donnait un peu, mais quand même. J'ai pas eu l'encouragement de mon pays. Je suis obligé de, baisser la carte. Et ta famille, elle ne te soutient pas bah, Quand je venais, je n'avais pas une, une famille. C'est après que je me suis marié. Alors, euh, dites-nous comment décrivez-vous votre style musical Je fais du reggae, reggae germain. Malheureusement pour moi, euh, que je ne connais pas d'autres langues qu'on peut, comme comment comme C'est la seule langue que je parle, euh, la langue germane. Donc je me débrouille avec ça. Je fais le reggae. beau. y a-t-il un thème ou un message dans votre musique Oui, plein. Par exemple Par exemple, euh, Bon, par exemple, je, prends la deuxième, euh, l'autre, la Imaginez quelqu'un, deux personnes se, qui, se, sont aimées depuis longue date. Peut-être euh, ils se sont vus au Sénégal. Donc, euh, les deux sont nigériens. Ils finissent les études, ils reviennent dans leur pays, ils veulent se marier. Et à la grande surprise, on dit l'autre, l'autre n'est pas noble, l'autre est esclave. Mhm. Surtout quand la fille est esclave, c'est ça qui est très compliqué aussi. La fille n'est pas noble, sa maman elle est griotte, malgré qu'elle a passé toutes ses études au Sénégal elle a vu le mec qu'elle veut. Donc euh, le papa du mec ou, les soeurs du mec s'imposent que non, non, non, il n'y aura pas ça parce que c'est pas une bonne famille. Ah, dommage. Donc euh, c'est le deuxième comme ça. Ah, Dites-nous, quelles sont vos principales influences musicales Je n'ai pas compris. Tu peux le redire un peu Quelles sont vos principales influences musicales C'est-à-dire Le mot un peu tu peux, tu peux réduire le moins un peu. Qu'est-ce qui vous pousse à, choisir des thèmes et autres Ouais, c'est parce que je suis, je un, bon, un bon patriote, je suis un bon Nigérien, je suis un bon musulman. Quand tu es musulman, c'est pas la folie. La musique, c'est pas la folie. Il faut que tu sois noble partout que tu sois noble partout. Quand tu dragues les filles, il faut que tu sois noble. Quand tu travailles, il faut que tu sois noble. Quand tu pries, il faut que tu sois noble. Quand tu fais tes sacrifices, il faut que tu sois noble. le mot, il faut, que ça, ça, apparaisse partout. Donc, euh, moi, je vais chanter parce que j'ai envie de chanter. Je vais chanter parce que Dieu m'a mis dedans. Et je veux chanter, c'est parce que j'ai envie de dire quelque chose de beau J'ai envie de conseiller les enfants de parler bien. On fait la musique, c'est vrai, mais on ne fait pas du bordel, je m'excuse. <laughs> C'est le reste, hein, c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens vous appellent Kaiwindi. Pourquoi euh, Kaiwindi, c'est le, le, nom du premier morceau. Euh, Kaiwindi, c'est. C'est bizarrement, non C'est bizarrement, c'est comme si je veux dire la cour de mes grands-parents. Ok. Donc tout le monde a ça. Même les Blancs, ils ont, ils ont mmh, mmh, mmh. Les Chinois, <laughs> tout le monde a Kaiwindi. Même vous, vous avez Kaiwindi, non <laughs> Moi, je ne comprends pas Zarma. Qu'est-ce que ça veut dire, Kayundi Kayundi, je vais dire tout à l'heure, la cour des grands-parents. Kayi, mhm. c'est caca, mm en mhm. Mhm. Windi, c'est Dachi, non Windi, oui, Dachi. Ouais, Dachi. c'est comme ça, non <laughs> Ok, ouais, ouais, c'est comme ça, ça marche. Merci pour cette première partie de notre entretien. Nous allons écouter ensemble les conseils des religieux avant de poursuivre nos échanges. Écoutons Ostaza Haladou Yahya sur la présentation de la retraite spirituelle durant les dix derniers jours du Ramadan. Il est au micro de Hawa Ousmane. La retraite euh, spirituelle, c'est la euh, dernière des quatre. La retraite euh, spirituelle se prépare comme tout acte d'adoration avec une bonne intention celle d'aller servir Allah exclusivement dans la mosquée. Et il y a également la préparation matérielle. Il faut normalement se prémunir de tout ce dont on a besoin euh, pour éviter de déranger quelqu'un. Même si c'est un peigne de pouvoir manger son savon, mais il faut aussi s'assurer et avoir prévu tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la famille, pour les prises en charge de la famille. Donc, c'est ça qui va permettre aux fidèles de rester à Allah avec recueillement, donc sans arrière-pensée ni autre Pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalango. Revenons à notre invité. C'est vous. Comment gérez-vous la pression et les attentes liées à votre carrière Ce que j'attends pour mon carrière Ou bien je sais pas. Qu'est-ce que tu veux me demander là Mais vas-y, mais même sans ça, moi je peux répondre. Euh, Anzarma, euh, pose-lui la question. Réponds-lui la question, Anzarma. Je vais me débrouiller quand même. je ne comprends pas trop, Germain. Nous ne sommes pas des Français. Oui, ça c'est vrai. Comment on dit pression, Anzarma Tu peux m'aider expression euh, kankam kankami kankami to vala matna rangote kankame din kankango arambo matna rangote géré bon ego géré d'une manière que ay mo be bon c'est quand des cas musicaux avec du problème mais j'avais les droits euh, restant au gamé mhm. donc euh, euh, c'est pas facile pour moi de le garder de mon village à Goudel j'ai eu tellement qu'il y a eu du problème il y a eu du problème bobo au Kulu Restanaga, il est fou, il est demi-fou. Donc, je suis obligé, même quand je drague les filles, ah, Folokomno, nous, Donc, je suis obligé, Mika, pour avoir au moins ma femme, au moins. <laughs> c'est quel est votre souvenir, meilleur souvenir en tant qu'artiste Ah, meilleur souvenir, c'est les enfants. Hein. C'est mes enfants hein, de mon village. Je dit, Kavini, Kavini, ouais, je suis. Odin, J'aime causer beaucoup avec les enfants. Et donc, on a souvenir, il faut qu'on ait à Kalangou. Mhm. Donc, euh, Kalangou m'a invité, vraiment, je suis très content de cette émission. Et quels sont vos projets au pro ou, bien pour le, le, prochain album Non, non, j'ai pas de projet parce que Niger Mouno, c'est le projet Musique d'Oaré. Maintenant, je suis directeur de musique sans beaucoup de séquences c'est musique Baikam Baigan. Kawize, il m'a encore collaboré, j'ai rassé Koulba, il a dit, il a bankare, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve, mais c'est vrai, Djabo de musique, c'est notre vie. Mais pas de la manière qu'on a barada. Mais que musique qu'on barada, nous, et musique qu'on banque aidant. On connaît, il y a un album, Mariana J'ai pas d'album. Titre Nessie, et comme son Hinza. Mhm. Après ça, il gagne. Parce que, il dit à 5 ans, je peux pas aller un peu devant, donc je suis arrêté. Armec, tes concerts, non? À Goudel. Et ça a donné Ça a donné un peu parce que un villageois Margou, 200-200. Euh, parce que. <laughs> 200 enfants, francs l'entrée. 200, 200. <coughs> Chacun paye 200 pour son enfant. Ah, c'est hein? bien. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas amine ay furu musique wara fatta man quoi. fuko kula organiser concert il faut que samara ni bon 200 200 Vous respectez ci non motron ti concert 200 non je le fais parce que vous réussissez nous rouyanno sont dans le futur Barum collaborer avec nos jeunes artistes je sais pas ni sont collaborer beaucoup Niger Niger où, en kambora bana giti mutki bani giti niger musiku singi te parce que niger musiku mame no gara mandiyan en no ngware no jasareno bore kango jinmo di ngware bani gino donc kan ga niger musiku singi te mata kir barada di musiku hanse kun musiku ngiti di ma musiku hanse musiku sin me, mhm. la la musique n'a pas d'âge tu peux avoir 100 ans ni ka musiku mais niger musiku beaucoup singa eh, gare gidi kalbore kan famda barera hijeido ŋwareyen c'est ça le Niger Niger musique no mais ar waran su doni higera ah je beaucoup ŋware je ŋware je doni c'est je n'ai rien foutre avec ce que tu fais moi je vais chanter pour mon pays et pour ma nature en conseil ne ouais dono ma goy ma goy ma goy faut pas le faire faut pas le faire là-bas il y a danger il y a danger voilà en parlant des conseils conseil fona euh. rangu no jeune artiste kang bagutun musique jeune artiste kang bagutun fere ni ŋware mati yo yo no te musique musique yoyo c'est vrai la fono gon kanga ti américain wa nge wagati parce que nyenge ba kati mhm. yoyo iru wori kwara irsbe iru balen iru fulen iru zermen iru sancheno iru wa kunno gurmancheno il faut que dirk salan iru islam no ko dirk salan il faut que mchari yamar filan armo ha goyi d'ici 20 ans yakino koka d'ici 40 ans yakino koka ou bien 20 ans passé yakino gorgiti donc irka ton kunchirga armo ha goyi dan ken ga hawgiti dan ken ha dan ken irko bafune dai unot musique ba se ala ran koy aran yek tir se kay no fo kay windi oui non ça ça je le fais pas parce que me hoga me je suis obligé de dire car musique ko tchéti ara madame ay singdur me hoga me <laughs> D'accord, c'est vous. Merci beaucoup <laughs> de passer au studio Kalangu. D'accord. Merci, passez une bonne journée. D'accord, merci. Assalamu alaikum. Passons à présent la rubrique à conseil du nutritionniste. Durant ces mois de Ramadan, <clears throat> durant ces mois de Ramadan, le moringa fait partie des aliments fortement consommés. En fait, c'est une plante qui a de nombreuses vertus selon les spécialistes en nutrition. Abdrazak le nutritionniste donne ce vertit au micro de Hassanour Abdraman. C'est très bien pour le jeuneur de pouvoir avoir le moringa. La consommation du moringa a des effets sur plusieurs maladies de façon directe ou indirecte. Les maladies cardiovasculaires, glycémie, sur le diabète et le traitement, sur l'amélioration de la digestion de par la, teneur en, en fibres la consommation excessive n'a pas d'impact si on n'essaie pas de remplacer le moringa par d'autres aliments. Parce que dans toutes les vertus que j'ai évoquées, je dirais que le moringa n'est pas très riche en énergie. Et donc, ceux qui veulent consommer des quantités importantes vont avoir tous les éléments que j'ai évoqués, mais ce sont des personnes qui ne vont pas avoir de l'énergie. Et l'énergie, c'est indispensable pour le jeûneur. Donc, euh, tant que la consommation du moringa n'a pas une influence sur la consommation des aliments énergétiques comme les céréales et les tubercules, il n'y a aucun problème par rapport au niveau de consommation du moringa. C'était la rubrique nutrition avec Abdrazak Bello. On fait une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passé des 16 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire éducation numérique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une actualité brillante qui secoue le monde de la technologie. Le gouvernement chinois vient d'annoncer officiellement qu'il ne veut plus d'un processus d'un précurseur AMD ou Intel dans ses ordinateurs. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui perdira depuis plusieurs années maintenant. Pour nous éclairer cette, pour nous éclairer cette situation et ses implications, nous avons Ousmane Mahmoudou, responsable de l'équipe en numérique au studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour Mariam, ravi d'être ici pour en discuter. Bonjour Ousmane. Bonjour. Tout d'abord, dis-nous ce qu'est un processeur. Alors, le processeur, c'est vraiment le cerveau, le petit cerveau de l'ordinateur et de nos téléphones aussi. Donc, il prend des instructions, les traite à l'aide de petits composants appelés transistors et exécute les tâches nécessaires pour faire fonctionner un ordinateur, que ce soit pour regarder des vidéos, jouer à des jeux vidéo, pour faire des recherches. Et des fois, quand votre téléphone chauffe ou l'ordinateur qui chauffe, c'est en fait le mhm. processeur qui est en train de travailler beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a souvent un système de refroidissement qui a des ventilos sur les ordi pour le refroidir. Mhm. Alors, Ousmane, peux-tu nous expliquer pourquoi le gouvernement chinois a pris cette décision et quelles en sont les implications alors, cette décision du gouvernement chinois, euh, de ne plus utiliser euh, les processeurs AMD Intel, en fait, AMD Intel, c'est des entreprises qui fabriquent ces processeurs qu'on met dans les, dans les ordinateurs. Mm-hmm. Donc, euh, ils ont interdit ça c'est une mesure en représailles face aux sanctions qui sont déjà imposées par les États-Unis aux entreprises technologiques chinoises. Je fais un petit rappel, il y a par exemple quelques années, Huawei, la grande marque Huawei qui fabrique des téléphones, ben, ils ont été interdits d'utiliser des technologies appartenant aux Américains. Euh, aujourd'hui, vous n'avez plus de téléphones Huawei qui, font, qui tournent sur Android. Huawei ne vend plus des antennes 5G aux États-Unis et même dans une partie de l'Europe. Et donc, depuis l'administration de Donald Trump jusqu'à celle de Joe Biden, ces sanctions se sont intensifiées, ça ne s'est pas diminué. Le gouvernement chinois a décidé de répondre en réduisant sa dépendance face aux technologies américaines, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, on les appelle donc les processeurs. Ousmane, c'est donc une décision stratégique de la part de la Chine. Mais comment cela va-t-il impacter les entreprises comme AMD et Intel alors, cette exclusion de, ces deux géants euh, américains représente un coup dur pour ces deux géants-là parce que le marché chinois, il est gigantesque. Non seulement cela signifie qu'il y aura une perte de marché important pour eux, mais c'est aussi un signal fort envoyé aux États-Unis quant à la capacité croissante aujourd'hui de la Chine à se passer des technologies américaines. Parlant de ces alternatives, quelles sont les avancées réalisées par la Chine dans ces domaines ces dernières années alors, la Chine a fait des pas, vraiment des très grands pas, des pas de géant dans le domaine des semi-conducteurs. Des entreprises chinoises comme euh, Longson ou SMIC ont réussi à développer des processeurs et des technologies de pointe rivalisant ainsi avec les leaders mondiaux. Par exemple, le supercalculateur Sunway Taihu Light développé par le National Supercomputing Center de Wuxi, qui est en Chine, est un exemple impressionnant euh, des capacités croissantes de la euh, Chine dans ce domaine. Et il faut aussi retenir, je fais un petit rappel, mhm. que fabriquer des processeurs, c'est vraiment pas donné à n'importe qui. Dans le monde, vous, avez juste quelques entreprises qui savent le faire. Il y a mhm. des entreprises qui font les schémas, qui dessinent à quoi est-ce qu'il doit ressembler. Et il y a ce qu'on appelle des fondeurs, les boîtes qui vont euh, vraiment fabriquer le processeur. Et dans le monde, il y en a que très très peu. Donc c'est un domaine très très concurrentiel. Et si la Chine avance, c'est qu'ils ont mis les moyens. Ousmane, est-ce que la Chine peut vraiment se développer sans les technologies américaines Alors, bien que la Chine fasse d'énormes progrès, il est indéniable que l'absence d'accès aux technologies et brevets détenus par les entreprises américaines représente vraiment une problématique pour eux. Alors, les restrictions d'exportation imposées par les États-Unis, notamment dans euh, des domaines clés comme l'architecture, je le disais tout à l'heure, la façon de schématiser, les, je schématise beaucoup, mais la façon de dessiner les processeurs, faire le schéma, ont certainement un impact. Cependant, la Chine semble déterminée euh, à surmonter ces obstacles et à devenir de plus en plus autonome dans le domaine des semi-conducteurs. Merci Ousmane pour ces éclaircissements sur cette actualité intéressante. À la semaine prochaine pour une autre rubrique. Merci Ousmane. À la semaine prochaine. Bye bye. C'était la rubrique du jour à Place à l'écho des régions et direction Maradi. Il est très fréquent de nos jours d'entendre à la télé ou à la radio et dans le journaux des startups. Elle se définit comme une jeune entreprise innovante avec un fort potentiel de croissance. Nia Kilichi répond à cette définition avec son idée d'emballer les Kilichi. L'entreprise est basée à tibiru Gobir et se développe malgré un environnement économique morose. Les reportages signés Mohamed Maman. La concurrence est rude. Les entreprises à Maradi évoluent dans un environnement où il faut forcément innover pour faire sa place au soleil. C'est qu'a compris Habugonda, le responsable de l'entreprise Nia Kilishi. En effet, depuis 2017, il se démarque des autres vendeurs de Kilishi par l'innovation et la modernité qu'il a insufflée à son commerce. bangaren mai zan da lantarki na samu tallafi na bangaren ambalaji dama sun tara na shi ta kuma su kara mun bangare na bisa ambalaji abin da kamata in yi kenan ambalaji kilishi ma nake wajen kala wajen hudu nake ko biyar ma nake yi ba zan cin kilishin kaɗai ba ne ba dan yana kilishi na aya yana na akwai sample wannan da cewa rumuzu akwai eh, na riɗi akwai na gujiya to wani kuma na haɗa kenan da wali in sa eh, cikin riɗi in sa Eh, C'est cette vision qui a permis à l'entreprise Niakilichi de bénéficier de l'accompagnement de la maison de l'entreprise. Pour le chef d'agence de la maison de l'entreprise, Akilo Abdokarpa, Niakilichi est une entreprise porteuse évoluant dans un secteur très soutenu. En tout cas, son entreprise vraiment fait partie des, entreprises phares euh, au niveau de la région. Elle a vraiment un nombre euh, plus ou moins élevé des, des employés et même au niveau de son chiffre d'affaires, il fait en tout cas des grands chiffres d'affaires, bien qu'on ne suit pas au jour le jour, en tout cas, euh, sa comptabilité. Mais quand même, c'est une entreprise vraiment qui est en évolution et elle participe à vraiment des, foires, des foires euh, nationales et internationales. Dans un environnement, en tout cas, très concurrentiel, il va falloir adopter euh, adapter des innovations. Donc, lui, vraiment, à travers, en tout cas, notre accompagnement, elle a su se démarquer à travers ses emballages. C'est l'emballage qui fait toute la différence selon le chef d'entreprise Abou Garba. Pour lui, il apporte hygiène et sécurité aux consommateurs.

Moi, quand je voyage en Arabie Saoudite, au Sénégal ou au Nigeria, j'amène ça pour un peu distribuer aux amis comme cadeau. Vraiment, ils apprécient ça. Des fois même, ils m'appellent depuis la France, le Sénégal, l'Arabie Saoudite, le Nigeria, le Bénin et le Burkina pour que je puisse leur envoyer le kilichi par la voie terrestre ou par la voie aérienne. Presque chaque mois, il y a, quelqu'un à qui je dois envoyer ce Kilichi. là Vraiment, les gens apprécient euh, sa façon de faire. Nia Kilichi est aujourd'hui une entreprise qui innove. Elle a d'ailleurs participé à plusieurs rencontres d'exposition avec des prix à la clé. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. place à présent au portrait du jour. Mariam, qui allons-nous découvrir Âgé de 28 ans, Ayouba Juba Issa est un habitant de Congo, un village à périphérique de la commune de Niamey. Le jeune Ayouba s'est lancé dans la vente de poulets et pentades. Aujourd'hui, il mène plusieurs activités grâce à son commerce. Il a un autre atelier de couture à côté de son commerce de poulets. Voici son portrait avec Oumu Oumarou. irgo alula guri hinka da minti waranza kanai habo jaga ya mai gallu dunkara ayuba jibbo isa a wani gorgonero yango nongodo ir sabanda ayuba gogoro bambon ingan dinga ga koi igoga batu dai koye kanga kaga gorngayo da yiga furtejo gorgona ga nera da chiroyan goi ka sintin za a gozanka fahaman diyan ne madakana wo sintin da kai gote college inga sintin da kusu igi naira irga no dal gu dal wai wato irga kusu irsa kusu da har dungo wato har dungo kusin sino kala to nan kan hino har dungo kusin furo irga te dalwai e irgande beer kambandai ko sa sa girba na banari fato don don ay bis college ay to seconde ay kay mi chaw ay la kalora ay dan ay go chaw me ay gidi kom tal kay si hinga goro mai kala pre ir sintinga gornga nera ay sintinga nera da zambar hinza gornga dai ay mon sintinga nera e bon se 2015 amma gornga ranu ay na ayati lawo gornga goyno kan ay sinan zambai ay siga te ay ganda zanka kanto ne banda kan to zanka waikindi hal son yugandar sonda sonda bumbo churna ko sambukan ay go nera hal suba a mu aini feri gorngara mu ti gabo di bumbu a teliya kai zama a ateliya ina feri kasun jirta ci gornga ne rana su bai mana dai na ateliya fiye da gornga gai jirga akili ngai watu kul igo do ya dinga dai na gornga ne ra moran din da goyino kan ga ita bane zama ga ita bane dai no zama isana ya dinga ai su gornga nan ai sai teliya nan goyi mu dugu dogo nai sai amma ga sai no aina gornga ne re ngudo jirga ne na teliya feri kuna goyo kan ayuba gote a gonan a godu kinga muradi yan feri hala go borfo yan ga kisne ara a ga farhan da goyo ka gine ne rara na hiji aina atili feri ara aina mota dai ara aina popor dai zanka sai aina zankai kan ga ban hijen di gurna ne rara zai tunanta ai sin gidi goy kan rai gudu kan ga faida zama zai tare ga tahawi man tabbar kunno ga ninga gurna ne parce que ai go gurna ne ra gurna ranu ai ga banai bon sai go te école bombay ai ga banai bon sai 350 mil ai te terminal bombay ai no ga banai bon se ay go suwin day bandi e mana tubu me akana se hun ko nay bamu ay mudu bankan ye ga hay ko ne kan ge ga relevo din sam me ay wo kan ga kana se giti ya karra ay babu go parce que ay babu kunguna go kawai no ay mu kungu borno ce qui fait que ay ga bayi mene ay atiliya din kungu zan kai din kan yan sin da goyin ne ga kai mi don dongandi parce que zan kai ngai se kai go don dongandi kai ga mine suba borai wo idara ir kwarai zaino go goyi se ay kampanora ay mi bana wodin ne ga ba jeune kul kan gonu ma bayinga sey da dai labora nunugo hay kunu ne so koyte nangu fo kadde ni ma kay gani goyo ce ci rani ga tunni me ga zanka fo tunan dam ne mata ni ti ganda berezi ay kan da buryen kan inde kayinu buryen gon kan kwarara dai ni go kai mi dizan kai ndo kan kane sai mi sambo im kai son bo ai ganda zan kayan kan i wani goyo goye goye sai gogi ban sandai bero kan ayuba gogadi kati gorngayo i marguyan do hare labo bumbora gornga sanda gati manno irga koy ga gornga sambu irga koy ga sambu nigeria irga ko gornga sambu burkina irga dino kan niger borai dinge no go gina biri zan banda banda niger gina hinne nirga bai sanda gati borai si ga gornga biri bumbono niger goyno kan borai si ga no gabi niger gornga irsiduwa wo kan hinga borai gorngeira i han naw ngono ti niger gorn ni ma ngwa ni ma gorn gendo gu lan kul kir gorn samu niger gorn ga bisa sanda da yigiti kan nigeria nga bumbo no si gorn ga idi lampo amantikala ayuba chelera afo ir sabanda agoga fahaman dirse kan furte ji wone wo goy hanno naga te kan gana aminga dai koy farhandi sintene 11 no 11 no pisa kono kan wanke to a la kol aka fur gorn nere yan sintene dai gorn na go kosu agara ka te ko na yigiti nga bomma gida agoga nere ra ko yigi fer atele atele in ka wone no amenta ko baso ago agogo nera to wallahi ka ayibo borno dadu ginai agnere se imom ko nera du kaina akan ne gorngi zangu iye izangu ta kula akan de borno kan wallahi dandu a ginai wallahi ginai gonda gone ayibo wallahi borno kan ceci kan wan keki C'était le portrait réalisé par Oumu Oumarou. Place à présent la rubrique Rosa de cette émission. Habiba, qu'est-ce que les filles nous proposent aujourd'hui Elle vous apporte quelques astuces sur comment préparer la salade de gourgis et dans la partie bien-être, vous saurez, chères auditrices, comment faire des masques pour la beauté et le bien-être de votre peau. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. C'est tellement cool de vous retrouver dans cet espace parfumé, chic et délicieux du studio Kalangu. Et en parlant de délices, c'est la saison du Gourji. cette variété de concombre que nous retrouvons un peu partout chez les détaillants, au marché, à la fin de la saison des pluies. Ce qui particularise cette variété qui est plutôt des champs des autres de forme allongée d'un vert foncé des jardins que nous retrouvons presque tout le temps chez les légumiers et que la peau du gourgi est plus claire avec des rayures vert foncé. Sa chair est beaucoup plus ferme que celle du concombre classique et perso je la trouve plus goûteuse. La première étape pour une bonne salade de gourgi c'est le choix de ces derniers. Au marché ou dans la circulation, on peut juste demander aux vendeurs de nous les emballer après l'achat. Pourtant, on doit prendre le temps de bien les sélectionner. Cherchez les plus jeunes et par ronde. Elles ont moins de grains, ont plus de goût et sont faciles à éplucher. Après les avoir bien nettoyées, découpez-les en dés et faites la même chose avec votre oignon, tomate, poivron et mettez de côté. Pour la vinaigrette qui accompagne votre salade de gourgis, vous avez deux options. Celle à la pâte d'arachide, la plus connue, et celle à la mayonnaise. Allons pour la vous aurez besoin de pâte d'arachide pour la quantité, c'est vraiment à votre goût. Vous pouvez également ajouter des tourteaux d'arachide moulu, de l'huile. Perso, je préfère celle d'arachide pour cette salade. Un peu d'ail, le jus d'un demi-citron, du sel et un cube magique. Mélangez le tout dans une tasse, incorporez le mélange à vos légumes découpés. Faites plaisir aux petits et grands avec cette salade, je vous promets que vous ne retrouverez une miette dans l'assiette. Bonne dégustation, passons à présent aux astuces beauté de Rookie. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir ensemble d'autres recettes de masques fait maison pour le bien de votre peau. Pour le masque numéro 1, c'est un masque anti-point noir à base de curcuma et de miel. Pour les grains de peau irréguliers, ponctué par ces petites taches sombres surnoises et désobligeantes appelées points noirs. Vous aurez besoin d'une cuillère à café de curcuma, une cuillère à, à soupe de lait, une cuillère à café de miel. Pour la recette, vous aurez besoin de mélanger le miel et le curcuma dans un bol à l'aide d'une fourchette ou d'un petit fouet. Ajoutez petit à petit le lait pour rendre le mélange plus liquide. Appliquez-le sur le visage en évitant les yeux et laissez poser 15 minutes. Rincez à l'eau claire et tiède. Vos pores seront resserrés et vos points noirs un lointain souvenir. Masque numéro 2. C'est un masque bonne mine au miel et au citron. C'est pour les teints ternes et fatigués qui manquent de sommeil. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un blanc d'œuf, une cuillère à soupe de miel liquide, une cuillère à, café de jus de citron. Pour la recette, battez le blanc d'œuf jusqu'à obtenir une petite mousse, pas à neige non plus, donc euh, moyennement. Ajoutez-y le miel et le citron puis mélangez. Appliquez sur le visage en évitant les yeux, rincez à l'eau claire et tiède et voilà, vous rayonnez comme si vous vous rentriez des Maldives. Ok, Merci Rookie. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres numéros de Rubric Rose. Bon début de semaine à tous. C'était la rubrique Rose à défi du studio Kalangu. Place à présent sport avec Gourouza Hassoumi. Bonjour Gourouza. Eh, bonjour Miriam euh, Myriam Ouki Abiba. <laughs> bonjour Gourouza, ça va Bonjour beaucoup. Alors euh, Gourouza, nous allons parler d'un athlète qui va représenter le Niger aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Oui, euh, son nom est Soumela Souley Oumarou. Il a été déniché par son entraîneur actuel Abdullah Ousmane très difficilement. Il a pu s'intéresser à l'athlétisme il a participé aux Jeux de la francophonie en RDC où il a décroché euh, la médaille d'or synonyme de billet pour les Jeux de Paris. Pour en savoir un peu plus euh, sur son travail, nous nous sommes intéressés, entretenus avec euh, Soumeila Soule Oumarou, athlète qualifié pour les Jeux de Paris. J'étais à Kinshasa avec mon coach Abdoulaye et avec son aide, j'ai pu réaliser et quelque chose que je n'ai jamais pensé qu'un jour je peux réaliser ce genre de rêve. Vous serez à Paris pour les Jeux paralympiques. Alors comment vous préparez ça Depuis le, début de la saison, euh, je me bosse à travers les programmes du coach. Toutes les choses sont disponibles pour moi pour que je puisse avancer Surtout tous les plans. Vraiment, il y a beaucoup de changements par rapport aux euh, années précédentes. Malgré le manque euh, des outils de travail, euh, mais malgré tout, le coach a fait tout pour que les choses avancent. Et vraiment, Dieu merci. Les JO paralympiques de Paris, ce n'est pas une petite chose. Comment comptez-vous te parmi ces grandes nations d'athlétisme Bon, vraiment, c'est excitant d'attendre ce nom en tant que tel même, quoi. Mais c'est pas ça le, plus important. Le plus important, c'est de faire tout pour avoir euh, une médaille et de faire tout pour que le Niger, cet événement reste euh, dans les mémoires des uns envers les autres, quoi, comme des, souvenirs. Et Inch'Allah, on va faire tout pour marquer l'histoire du pays. C'est ça vraiment nos ambitions. Le coach a dit que tu as des qualités euh, pour vraiment te hisser et montrer le drapeau du Niger partout pense euh, être prêt. Oui, oui, je suis prêt. Tout ça, c'est grâce à lui que je puis réaliser ce que je ne pensais même pas. quoi. Parce qu'avant, même si quelqu'un m'avait dit que j'ai des talons pour réaliser quelques records, je ne crois pas vraiment, je ne crois pas. Mais j'ai pris conscience que tout ce que coach m'avait dit vraiment, c'est réellement la vérité. Vous vous entraînez le matin, le soir Dans toute la semaine, on travaille. Même dans, dans le carême, toujours euh, on se bosse. On dit que le travail paye. Oui, effectivement, effectivement. Ça, c'est une vérité. Il n'y a pas de la magie dedans, quoi. Quand tu te bosses, tu, tu verras que vraiment la réussite, là, à travers ton travail. Et, aussi les conseils des uns envers les autres, et, surtout mon coach. Les JO de Paris, c'est quand Le jeu se fin J. Avant de, cet événement, on a une compétition. Oui, oui, pour avoir la qualification euh, pour le 100 mètres, pour avoir le minimum, quoi, Inch'Allah. Ça serait quand, où euh, C'est Marrakech, Inch'Allah, bientôt après la fête. C'est là-bas que vous allez avoir, euh, en tout cas, le minimum pour, 100 euh, mètres. Ah, pour 100 mètres. Oui, oui, oui, Inch'Allah, parce que déjà j'ai le... Pour longueur, c'est acquis Oui, oui, pour longueur, je suis prêt pour ça et vraiment, ça va que ça va aller. Que le peuple nigérien doit prier pour vous. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, on va faire tout pour créer l'histoire encore. Voilà, euh, c'était là les euh, Suleiman euh, sous Et il est athlète qualifié pour les JO de Paris. Gourouza, parle-nous des Jeux, paralympiques. Oui, euh, euh, il faut noter que c'est un jeu qui se déroule juste après les compétitions ordinaires. C'est des Jeux réservés aux personnes en situation d'handicap. Paris 2024 réunira près de 4400 euh, athlètes de 182 nations différentes. L'événement se déroule le 28 août au 8 septembre 2024. Il y aura 11 jours de compétition, 23 disciplines, 549 épreuves euh, seront au programme de cette compétition continentale. Voilà pour le sport. Merci bien, Gourouza, pour toutes ces informations. Bonne journée. Merci beaucoup. Mariam, place au loti. Habiba, le loti d'aujourd'hui parle des violences conjugales que subissent certaines femmes. Beaucoup de femmes, tant milieu rural qu'en milieu urbain, en sont victimes. Et il y a des hommes qui sont aussi violentés par leur épouse mais n'osent pas en parler. Comment faire recours en cas de violence conjugale Écoutons la chronique Loti de Rekia Arimi et Rafika Attaher sur les sujets. Hey wannan bakin gilasin da kika sa heyi kin ga yadda idanunki suka kumbura kuma dubi duk wannan burdin a jikinki Elwata <laughs> ina zan bullo miki <laughs> daina kuka ki mini magana faduwa kika yi ko ku hari aka kai gare ki kai co na so a ce haka ne mijina ya mini shegen dauka Dumi, duka fa kika ce, taɗin jam. Ke kuma mi kika yi mishi har ya miki wannan shegen dukan? Kin faɗa wa wani? Yaya zan yi? uban ɗiyana ne fa kuma in na faɗi ma mutane kamar na tona ma kaina asiri me nike shirin ji baki san ba in namiji ya ɗora wa matarsa hannu ya kamata a kai ƙaransa in ba haka ba kullum ya tashi sai ya da keki kamar jaka uhm, yar uwata ni da kaina abu ya ishe ni uhm, amma yaya zan yi ba ni da wani zaɓi ƙwarai kuwa kina da zaɓi ke bari in haɗa miki zaɓoɓi ma me zan yi ina ya kamata in je haba yanzu kika fara magana abu na farko shine ki takardar shaidar likita wadda ake kira certificate medical a turance takardar shaidar likita ina kuma yaya ake yin shi saurara daga mijinki ya bige ki ruga maza ki je likita ganin likita da zai dubi lafiyar jikinki ya yi miki takardar shaidar likita ki je gun lauya da ake kira procurer ki yi karar shi koko don samun abun da gaugawa ki je peji gun 'yan sandar shari'a ki ɗauki takardar ƙara. Kin san sarai ban da hali na shi abin kuma sai da kuɗi. Kuɗin mi baki biyan komi akwai kuma hukumar ƙasa da ƙasa don taimakawa shari'a da shari'a wadda ake kira anaj da ke taimakawa mata kuma in ma ba a saurare ki ba a ƙungiyar addinin islama gwada kuma da ƙungiyar da ke kula da kare hakkin bil'adam ko kuma ƙungiyoyi daban-daban da ke kare hakkin mata. kamar su SOS Fam A fam Victim de Violence. Mijinki zai iya yin kurkukun wata biyu, hiye da hakan ke in gaya miki in bugon da ya yi miki ya yi tsanani. Koma kuma a yi mishi tara. Ce Allah. Allah makwa. In ya nemi yahiya ana iya sassauƙa mishi da sakin talala. Abin mai mahimmanci ma a nan shine yana iya kai ku ga rabuwa. Ana barin al'amarin nan ne a hannun lauyan shi ya cancanta da sanin ɗaukan matakai. Ashe akwai ma inda zana a shaurare ne. har ma a kare mini inci na nike nan ina zura wannan kuncin kin gani ko amma hattara wai sai in an shaida cewa laihin ba daga gare ki bane har ya kai shiga bango yana iya shiga cikin matakin yanayin masu tayar da hankali kenan ki yi hankali matakin yanayi masu tarar da hankali mi kike nihi kamun rabi da rabi ne za a yi mishi ah na gane yar uwa wallahi na gode gobe goben nan zan je in fara al'amarin nan don in kare kai kaina madalla Allah ya taimaka a sani mace ba turmin daka ce. Ƙwarai kuwa Merci pour vos multiples conseils, mesdames. Chers auditeurs, nous allons découvrir la recette du jour. Communément appelée Kinkilba, cette plante pousse dans les pays du Sahel comme le Mali, le Niger et le Sénégal. C'est une plante qui est beaucoup utilisée par des personnes au Niger et surtout en cette période de jeûne des Ramadan. Elle est très reconnue pour ses multiples vertus nutritives et thérapeutiques. Le Kinkilba est également riche en fer et en vitamine C. Madame Masouda Kadija, nutritionniste, explique au micro de Rafi Abdoulaye Mossi. Je m'en vais vous donner la recette de l'infusion du quinquilibre. Donc, euh, comment est-ce qu'on prépare l'infusion du quinquilibre Vous allez prendre votre poignée remplie de feuilles sèches ou fraîches de quinquilibre, ça dépend de votre de ce que vous avez de disponible. Bien les rincer et les mettre dans votre soit casserole, votre bouilloire, votre marmite, ce qui est à votre disposition. Vous pouvez le mettre à l'intérieur, verser un litre d'eau, le mettre sur feu d'eau à moyen et porté à ébullition. Donc après ébullition, vous éteignez le feu et vous laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Le quinquilibre peut être associé avec euh, du clou de girofle, avec euh, du bissap, avec de la citronnelle, avec de la menthe, avec du citron. C'est vraiment à votre goût. Donc après les 10 à 15 minutes, vous filtrez et cherchez un contenant, un récipient avec son couvercle vous allez le conserver à l'intérieur. Vous pouvez le prendre très chaud avec du sucre ou sans. Vous pouvez le prendre aussi tiède. Vous pouvez le prendre le matin, le soir. C'est comme vous voulez, à la rupture du jeûne et aussi toute la journée. Ça permet de maintenir la forme, ça permet d'éliminer tout ce qui est mauvaise graisse, ça permet une bonne digestion, etc. Merci Rafia pour ce beau reportage. Place à présent à la recette de bouillie que Habiba va nous présenter. Habiba, ah, on t'écoute. in kika zo wanda shi yau yau na zo muku da kunin hassi to maryam yadda ake yin kunin hassi wanda ba a surfa shi ba da farin ki ta yi wajen buhunki ki nemi hassi ki diddiba ki ga mutane nawa addago cikin gidanku mhm. a function da mutanen da addakwai sai ki auno in tiya guda ko tiya biyu mhm. sai ki nemi turmi ki sa hassin nan ciki da hannu za da kashi yau matanihin ki da hannu fa ba a kai shi mashin sai ki sa ruwa ki ta daka shi ki <laughs> <laughs> ki ta raka shi ki ta raka daga can ne sai ya yi ta da kuwa da da disashi da komi shi sai ya koma gari kuma kin san ba a tankare shi mm-hmm. da da has da yake cewa ma ni kin san hausa na mm-hmm. eh ki bar shi in yadda ku da kyau mm-hmm. sai ki ta ki nemi wani kono sai ki dama shi kamar yadda ake dama fura kai yayi ruwa da yawa sai ki ta ki nemi kunya mhm. ki aza ta ki sa ruwa ki sa ruwa da yawa in dai tiya guda sai ki sa ruwa kaman kunya lamba biyu haka mhm. in kuma in kuma tiya biyu ne sai ki sa kunya lamba biyar mhm. sai ki sa ruwa ki bata wuta in ta taso sai ki doko garin nan da kika dama mm. sai ki zuba shi in kuna tattafasa ko eh in tattafasa eh amma sai kina gaugawa don kai yayi bulbul kina kina sa kina motsawa eh kina mhm, motsawa mhm. kina motsawa to in kika mishi haka nan sai ki bar shi yi yan mintuntuka ki rufe ta kunya kin san shi yana son a bashi wuta mhm. bai so a fuddo shi bai nuna ba in kika fuddo shi zai sa ki ciwon cikin kin sha shi to in kika bar shi yayi kaman wata minti goma haka yana tafi da yawa yana kasan wuta eh, yana kasan wuta sai ki dan rage mishi wuta kadan shikenan in yadda fu sai ki sabke tukunyarki sai ki tahi ki nemi tasosi sai ki zuba kunun ciki mhm. sai ki da ko madara ko da madara ake samu sha biyu ba to kin san da da madara na akuya ake sa nonon akuya ake sa mhm. amma yanzu zamanin ga babu shi kuma ba kowa ba yake son shi ke a ganin kyau na daɗi cikin su na akuya ko kuma ganin nake na akuya tunda mu dai da na akuya muke aka san shi a eh mhm, to in dai babu na akuya sai ki dauko ko kuma baka shan na akuya sai ka sa madaraka sai ka sa kana sa man shanu wanga na ma ko kuma na miso ba mai ba dai ba wanga nono ko eh, yawa Ko wani eh. nono kana ya kasa mm-hmm, mm-hmm. shi shikenan sai ki sa kowane kono kowa ki zuba mishi mm-hmm. in kika zuba mishi kowa ki sa mishi nono ciki mutum sai ya dama ya sha to kin san kuma dai in gaya miki wani abu kunun ga na hasi da ba a surfa ba yana da kuma wani amfani da yawa kin san ya amfani mace wadda take ban nono tun da disan nan dai da ba a fi mishi mhm. eh da shi ake daka shi mutane suna cewa yana kara nono mhm, mhm. kenan kina ban nono kina shan kunun nan sai ki gani yaron ki yana samun nono kuma dai yana da kuma wani avantage mm -hmm. shi ma menene kin sai yanzu muna ta neman vitamin da menene da menene don mu yi jiki yau wani eh, haka ne na son ce miki kin san hmm. jiki yake sa mhm. inda baki fidda mishi disan nan kullun ki amma wahala dai ne gare shi madam tunda mhm. kullun sai ka daka shi kuma daka hannu kuma sai ya maka kanta ya mhm. maka abubuwan nan in kullun kina daka shi kina shan shi shakujur shakujur da zaki wata guda kin yi jiki ba tare da sai kin sha wani vitamin ba mutane suna aiki da shi kwarai Habiba C'était la rubrique culinaire. Merci Habiba. Accueillons à présent Omar Hama pour la culture linguistique. Bonjour Omar. Eh, bonjour, merci beaucoup. Omar, aujourd'hui tu nous viens avec les mots protection civile. Oui, Inch'Allah, que je vais décrire en fulfulde tout à l'heure. D'accord, eh, on écoute. COVID protection civil ɗum hunde noon ko laati ɗum renatana hano nimɓe woɗi sarusi noon laatiɗo renatana nimɓe filagu muɗum kamɓe are muɗum yaade e bonondaji fuu ko wawi waddude mane mbiyen ko bani adama wawi wadde misali si en koƴi policiji e gollitirɗe muɗum yaade sarusi kinotoɗo nimɓe ono puɗɗan wadde tewtewru woɗi ko mbiten ni fa ware joni sarusi kawjiɗo domon nimɓe o gollal muwoni renude nimɓe tine dow fanden ɗum rentana ɓe andinde ɓe yaade bala'uji ko wawi warde kamɓe ko mbiten sogiji pipa du wallatana nimɓe an kayni mbi'en gollirɗe ɗiɗi no ballodiroje giɗo allah ɓeɗo wonta kawtiɗe yewtere meɗen hannden ɗo filla ko mbiten protection civil ɗum sey lamɗo bo ceniɗo hewtina e jango noon to garte oh, merci beaucoup omar pour cet éclaircissement <laughs> hmm. chers auditeurs Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Justement, il est temps pour nous d'écouter les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana malam iso gidan iddar ni mai sauraren studio kalango ne eh, muna yaba mu studio kalango akan abubuwan da taka yi na waye kai akan ka tsaro a cikin ƙasa da kuma shirye-shirye waɗanda sun ka shafi wayar da kai a cikin ƙasa a cikin wannan yanayi da ake ina Eh, roƙon al'umma duk gaba ɗaya na Nijar su ba da tasu gudunmuwa kan a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu Nijar gaba ɗaya. Saboda uwa ɗaya uba ɗaya ake Nijar duka gaba ɗaya. Muna gaida dukkan mutanen Studio Kalangu game da wannan ƙoƙari da suke yi. muna yaba musu kuma muna jinjina musu muna gaida su sosai sosai amin sai ku naima birnin gaure wallahi su gire rai bobo goka kanai sai zama bon fere na go kande jama se bon ferai na labi zai sai bon ferai na ga bora kusi zan warka yan siga studio kalangu hangar isi bai sigire si si bai hankan gote yin dunyara sigire kulga kanai si za information ai za ayo fakara ya kiga kande ne kurra fakara ya kiga kande na me amira ai ga faham dai da ki tai bon haraka da izu wai borai zai kiga tarka dangangi ya ta kiga tarka dai hi ayo ga hi izo wai bore zo kai ne kai ga targi kai gir waran ki kasi ga koi be ke e kalangu im so bai ga konda da gina ipi e mo koi ni me kan de si bore bon je m'appelle euh, monsieur Soumane Sido enseignant à la retraite à Berningaure, Gaure président de Kojes j'ai vraiment apprécié Kalango. J'ai dit c'est la seule radio qui nous donne vraiment des informations fiables sur le Niger, surtout sur la masse du pays. Je souhaite que Kalango ait le courage de continuer ainsi. Je vous encourage vraiment d'aller dans le même sens, de donner les informations fiables du pays. Souvent, dans les soirées en tout cas, ce que je trouve, je les écoute surtout en german, en français, et le plus souvent vos fada fada là où vous invitez les jeunes là. Et même pour les femmes aussi, j'écoute ces, émissions-là. Bon, la suggestion que j'ai à faire, c'est quand vous, quand vous faites les débats, je vois des journalistes comme s'ils essaient de cadrer l'individu, quoi. Quand l'individu veut sortir, vous, vous le ramenez. Nous, nous voulons que ces individus-là que vous invitez, c'est qu'ils ont l'idée de dire au public de ne pas les empêcher de le dire. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Grouza est de retour au studio pour la recette culinaire. Alors Grouza, quelle est ta recette ah, Aujourd'hui, je vais vous faire euh, régaler, et surtout euh, ceux qui nous écoutent euh, avec le ramadan. Là. Bon, ils n'ont qu'à écouter, peut-être le soir, ils vont, ils vont bien faire. il faut irwo do sarfanir gani waran do waran ne brochet brochet mhm. to to brochet to din bonde na ibem ka gisalan kaina fo mhm. kaina ay bere kaina kan wese ni di din du sande ba kilo funu ham mhm. ham sande e waran na sare no gane e, sansos ni duwa ni na hanse ni na nyum amu bori karam bori ni min ji dan aga dinna ban dinna dumbu dumbu dumbu dumbu nin no ga bai mat kancin ni ga barawo mhm. ni sarfa go ni se ni sarfa kan ni kan dai go ni se wani ni serilo persilo tafarnuwa ni jiyo ni romaji din siba romaji ni ci rogo no mhm, mhm. barfon mo ga dan tattasi ai citta zan barfon ba citta sanda ayuba yan dinga chele ngi o citta ni gaba to sohon dinka ka ni na wodi yan kutte ni ni a abori ni ni dumbu dumbu mat kan gaba ba masarfai sambu niga niga eh, asizoni sande niga malange no ara nga na seri le persile nigi yandi yandi kadi afurara gumgumu nim bai ga muse muse muse afurara haya kur furara karan a kan nisi mhm. sohon alwato din nisi danjo da kabo dama charbon bon ni gada uhuh, uhuh. ngo charbon bon igdi parfum gadan frigara am do ge kini fo frigara bon frigo en kud do do no zande wat kan ne ni wasi to din sin frigo fa ni ga <laughs> yendi yendi de no den ni yendi yendi nim du nangu hanno kan ne dan ni na gayi ni kanda so sohon din na e, e, fo din kuddan hamodin ga uhuh. so nim kan ni sarfaize nim subega dan albasa ngo ngoniga danno ham fo de chargamara ham fo de chargamara ham fo de chargamara kan nimdu nin ga bai kanan di margeno niga ba zama da funo ya ne bay niga te mai gida ce <laughs> kan aga hawo kan da ka ga me feri aga nwa to din no jen kutte ni mi gisi nigi gisi dinga ba kan ni ci niga dan firgara dinga ba mu ni ce kinan go hannu kan gi mhm. gisi ko ni wodin mo niga teno sandai alwati kan igba ga hari han a cin di minti guci ne minti zama n'o kan zaini daga dungu no igoga mm caga ban igoga katare waran goga an no gane regale mhm. to wodin no igba ni don wodin kutti asiba cadabu din du ni kilo a fo ni du ni serilo din persilo din eh, tafarnuwa eh, da tabar kan gaba ta. Mm-hmm. musu musu e bur kurgo wa la mise no bo mm-hmm. manti wa kungunu bo bur mise no goy no ko ni ka sambu lokaci wa sa lokaci shap shap vit fe wargi sa din da ni waram mu du kan waram du waram mu aga bori aga bori mu ga hamsi da ay wedin kan dai ina ara fon yan ay ne ni se fon ga ba ciri fon. arom nigidam arom nigidam mhm. bor fo mo siba arom fo cer nigiba me dinna haye wo kuddan kani yize wo kuddan ara eh nan alay aga <laughs> a sai ne ne irgo mai hau irgo mai hau on va manger des brochettes ce ah, soir ah oui oui oui ça c'est vrai to waran di hankai kan waran sai hon kunde ir sabu guruza ir sabu mhm. fin de cette émission de ce jeudi Fin de cette émission de ce jeudi 28 mars 2023, vous étiez accompagné de Habib Ahmed et moi-même Mariam Adé. Si vous voulez réécouter l'intégralité de cette émission, il suffit d'aller sur le, site web du Studio Kalangu www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. L'édition était assurée par Adama Dawaki et à la technique c'était Mustapha Ayouba. Bonne, journée et bonne rupture à vous.